Monsieur Rama, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers euh, cette euh, édition euh, d'information consacrée à la rétrospective de la semaine. Cela dit, le Premier ministre Oumoudou Mahmoudou a présidé hier à son cabinet une rencontre de consultation sur la programmation des axes prioritaires de la coopération du Niger avec l'Union européenne. D'autres précisions avec Ibrahim Kantama et Ralia Assani. Cet exercice de consultation sur la programmation des axes prioritaires la coopération bilatérale qui existe entre le Niger et l'Union européenne a regroupé plusieurs cadres des ministères concernés par la question, l'ambassadeur même de l'Union européenne au Niger autour du Premier ministre nigérien. Il s'est en effet agi pour eux de revenir sur le renouveau politique de l'approche de l'UE envers les pays du Sahel d'une manière générale et du Niger en particulier. Pour euh, prochaine cette année, donc 2021-2027, il y a un nombre de nouveaux éléments qui euh, nous donnent euh, l'espoir que malgré le fait qu'ici, dans la région du Sahel, il y a un nombre de crises qui continuent de sévir, nous avons des outils encore plus efficaces pour travailler ensemble et y répondre. Et je pense ici au nouvel instrument de, coopération et développement international qui est mis en place euh, à partir de cette année. Je pense également au fait que, que cet instrument, il est beaucoup plus flexible et plus souple, au fait que nous aurons des nouveaux facilités, comme par exemple la facilité européenne de paix, qui permettra de financer plus, de façon plus énergique, je dirais, un nombre d'activités de, sécurité, comme par exemple la euh, l'appui bilatérale aux forces armées, euh, et bien sûr euh, toute la dimension internationale de nos politiques internes européennes sera augmentée. Je donne toujours à titre d'exemple le projet Erasmus ⁇ qui sera aussi augmentée fortement. Par exemple, la circonstance, le ministre des Finances explique l'importance de cette collaboration en ce qu'elle cadre parfaitement avec les différents axes prioritaires de la politique générale du gouvernement. Les discussions que nous venons d'avoir euh, concernent effectivement ce domaine de priorité comme vous le savez, les priorités du gouvernement, elles sont contenues euh, dans, la déclaration de politique générale adoptée récemment par l'Assemblée nationale. Et ces priorités, elles sont parfaitement alignées aussi sur les priorités du cadre général, du cadre commun que l'Union européenne a défini avec ses partenaires, à savoir les questions liées à la gouvernance, les questions liées euh, au deuxième domaine, euh, l'éducation et la formation, et enfin l'économie verte et inclusive voyez bien qu'il y a une correspondance parfaite entre les priorités que nous, avons définies de manière endogène et les priorités de coopération que l'Union européenne a définies avec tous ses partenaires. C'est pour dire que euh, notre coopération qui est non seulement d'une euh, vieille, d'une euh, longue tradition, euh, continue à être parfaite et elle ne va que se renforcer parce que le Niger reste l'un des partenaires privilégiés de l'Union européenne et l'Union européenne reste l'un des partenaires privilégiés euh, du Niger. En ouvrant les travaux, le Premier ministre s'est réjoui de la tenue de cette rencontre qui est d'une importance cruciale pour notre pays. du Niger pour la coopération avec euh, l'Union européenne, c'est celui du président de la République son Excellence euh, Mohamed Bayoum, dont les impulsions régulières contribuent à porter encore plus en avant ce formidable partenariat qui, de toutes les formules de coopération de développement, s'est avéré le plus promoteur et le plus producteur de résultats. Le gouvernement du Niger se réjouit de ce que la coopération avec l'Union européenne soit parmi les plus dynamiques. Le programme indicatif national du 11e FED a permis sur la période 2014-2021 la mobilisation de plus de 460 milliards de francs CFA en faveur du développement économique et social de notre pays. Notre rencontre d'aujourd'hui constitue une opportunité d'échanger sur le nouveau cadre de coopération post-Cotonou et le nouvel instrument de l'Union européenne qui s'intitule Instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale, comme MDC, qui remplace le Fonds cette rencontre témoigne du partenariat commun fructueux qui existe entre l'Union européenne et le Niger. Un long partenariat qui se renforce davantage avec la conclusion sur les étapes formelles de cet instrument unique de l'Union européenne qui consiste à poursuivre les actions déjà entreprises sommes toujours avec euh, le Premier ministre pour euh, signaler qu'il a aussi présidé au village artisanal de Wadata la cérémonie de la 28e édition de la journée fête euh, nationale de l'artisanat couplée au Salon national des entreprises artisanales du domaine de la menuiserie. Zainab Abdraman cela fait déjà 28 ans qu'une fête nationale dite de l'artisanat a été instituée au Niger. Cette année, cette fête est couplée au lancement de la première édition du Salon national des entreprises artisanales du domaine de la Ménisérie. Un salon au cours duquel plusieurs produits artisanaux du domaine de la Ménisérie seront mis en valeur. Prenant la parole à cette occasion, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a décliné les objectifs visés à travers la célébration de cette journée. L'accroissement de la visibilité du secteur, l'incitation à la consommation des produits locaux, l'amélioration des conditions économiques des artisans. Aussi, pour insuffler une dynamique nouvelle dans la célébration de cet événement, la 28e édition de la journée des fêtes nationales de l'artisanat est placée sous le thème La résilience des entreprises artisanales dans le contexte de la COVID-19. Le choix de ce thème n'est pas fortuit, car il nous permet de répondre à un souci majeur, celui de faire comprendre à l'opinion nationale l'importance et la diversité de cette composante de l'économie nigérienne, qui comprend quelques 291 métiers artisanaux et surtout sa capacité à s'adapter face à la COVID-19. Quant au Premier ministre chef du gouvernement, il a saisi l'occasion pour réitérer l'engagement du gouvernement à impulser le secteur de l'artisanat au Niger. Rien ne serait justifié que malgré le talent, l'ingéniosité et le savoir-faire de nos artisans, et malgré les infrastructures dont dispose notre pays, notre artisanat continue à rester dans le creux de la vague. Il n'est pas normal que malgré tout ce potentiel, notre artisanat n'arrive pas à être compétitif, à attirer des investissements, à se vendre sur le marché international. Il y a donc lieu d'avoir de nouvelles ambitions pour ce secteur parce que, de ce point de vue, nous avons des merveilles à offrir au reste du monde. Le gouvernement est totalement engagé à assumer sa part de charge. Je souhaite que les artisans en fassent de même pour être les ambassadeurs chevronnés du Niger sur le plan international. Il nous faut saisir les opportunités d'affaires qu'offre la zone de libre-échange continental pour imposer nos produits sur les différents marchés. La Chambre des métiers de l'artisanat du Niger et les organisations professionnelles sont interpellées. Elles peuvent compter sur l'accompagnement du gouvernement afin qu'elles jouent effectivement le rôle d'encadrement des artisans qui leur est dévolu. Elles doivent poursuivre les réflexions pour aider le gouvernement et les artisans à faire face aux défis que connaît le secteur de l'artisanat. L'un de ces défis, que vous en c'est le choc sanitaire avec l'avènement du Covid-19. Je comprends bien pourquoi le thème central du salon porte sur la résilience des entreprises artisanales dans le contexte du Covid-19. En marge de ce salon d'exposition, une conférence débat est prévue sur la résilience des entreprises artisanales dans le contexte de la COVID-19. Et c'est par une visite guidée des différents produits artisanaux du domaine de la menuiserie exposés au salon qu'a pris fin cette cérémonie. Poursuite euh, des travaux en séance plénière à l'Assemblée nationale, le Premier ministre, chef du gouvernement, a présenté la déclaration de politique euh, générale du gouvernement. Et c'est le président de l'Assemblée nationale, El Hajj Seni qui a présidé la dite euh, cérémonie. Adamou Ibrahim Kontama pour le compte rendu la déclaration de politique générale du gouvernement articulée autour de sept grands axes stratégiques déclinés dans le programme de renaissance, acte 3 du président de la République, Bazoum Mohamed. Trois principaux points ont retenu l'attention de la représentation nationale, notamment la sécurité, l'éducation et la situation sanitaire du pays. Après un riche débat entre les parlementaires, l'Assemblée nationale a adopté la déclaration de politique générale du gouvernement avec 129 voix favorables. Des débats qui ont débouché sur un vote massif en faveur de la déclaration de politique générale du gouvernement. Je voudrais aussi saluer la constance de la majorité parlementaire, mais aussi la pertinence qui a caractérisé les interventions de ces membres qui ont à cœur la nécessité de consolider les acquis engrangés au cours des dix dernières années pour avancer. Même si elle n'a pas voté favorablement la déclaration de politique générale du gouvernement, ce qui est son droit, puisqu'elle a quitté la salle avant le vote, il n'en demeure pas moins que l'opposition parlementaire en participant au débat, a contribué à la vulgarisation de notre déclaration de politique générale. Je note avec une légitime fierté qu'à travers les débats souvent passionnés que nous avons eu aujourd'hui, c'est notre système démocratique qui a gagné en dynamique et en vitalité. Ce sont nos institutions républicaines qui ont prouvé leur bon fonctionnement. Les sept axes de la déclaration de politique générale du gouvernement que je vous ai exposé recoupent les priorités de notre pays et de notre peuple. Au cours de ces cinq prochaines années, c'est à leur traduction dans les faits que nous allons nous atteler. À la sortie de l'hémicycle de leur intervention, Contrairement aux députés de l'opposition, ceux de la majorité ont salué les mesures annoncées par le Premier ministre, tandis que ceux de l'opposition estiment que ces mesures sont de la mauvaise foi. Les sept axes de cette politique, on peut citer de plus important, c'est d'abord la sécurité. C'est la sécurité qui tient le vœu la liste des priorités qu'il a dégagées. Il a parlé de la modernisation du secteur euh, rural. Il a parlé de l'éducation. Ce sont, pour m'arrêter, ne serait-ce que sur ces trois points, il s'agit ici des points importants euh, qui tiennent à cœur président de la La sécurité et la réforme du secteur de la sécurité, la modernisation du monde rural, l'éducation. On va dire le bilan de la gouvernance passée est évident pour tous. Il est évident pour tous. Alors, allons-nous continuer à applaudir, à dire tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir Non. Nous, nous avons fait le choix responsable de dénoncer, de nous asseoir parlementaire, de dénoncer cette malgouvernance qui a endommagé les fondements de la République, les fondements de notre démocratie et les fondements de notre solidarité, de notre pacte social. Voici pourquoi nous avons assisté à ces débats À travers ce vote favorable, la représentation nationale donne ainsi au gouvernement son quitus pour mettre à œuvre le programme des cinq prochaines années de renaissance acte 3. Notons que ce vote de la déclaration de politique générale du gouvernement s'est déroulé en présence de l'opposition qui a participé au débat. Dans ce cadre de cette euh, rétroactualité, le Centre national de référence de la fistule obstétricale a accueilli vendredi dernier le lancement officiel de la journée internationale de lutte contre la fistule génitale féminine. Et c'est le et c'est sous le haut patronage de la première dame Hadiza Mabarouk, marraine de la lutte contre la fistule génitale féminine. Aïssa Adamou, cette cérémonie riche en couleurs marque la 9e édition de la Journée internationale de lutte contre la fistule génitale féminine. Cette dernière peut être définie comme des lésions les plus graves et dangereuses susceptibles de subvenir lors d'un accouchement. En effet, cette année, pour commémorer cette journée à l'instar de la communauté internationale, les droits des femmes sont des droits humains. Nous devons éliminer la fistule obstétricale maintenant et le thème retenu pour l'édition 2021. Dans son message à l'occasion, le ministre de la Santé publique a salué l'action louable des agents de santé et des partenaires technique techniques avant de rappeler les facteurs à risque qui favorisent cette fistule. La fistule obstétricale continue de faire hélas des millions de victimes dans le monde. En effet, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, plus de 2 millions de femmes et de filles, certaines n'ayant parfois pas plus de 12 ans, souffrent de la fistule dans les pays en développement et de nouveaux cas continuent à être enregistrés chaque année. Dans le contexte du Niger, plusieurs facteurs à risque favorisent la survenue de la fistule génitale féminine, notamment le mariage des enfants, la grossesse des adolescentes, l'accouchement à domicile non assisté par un personnel qualifié, la faiblesse de la couverture sanitaire, la faiblesse de la couverture des soins obstétricaux et néonataux d'urgence, la pauvreté, les pratiques traditionnelles et croyances néfastes à la santé de la reproduction comme les mutilations génitales féminines, les excisions. Prenons la parole, la de la lutte contre la fistule génitale féminine, après avoir expliqué l'importance de la journée et du thème, a procédé au lancement du camp de chirurgie de la fistule. À cette journée commémorative, c'est pour moi un honneur de réaffirmer toute ma volonté à soutenir toutes les initiatives de la promotion de la santé, de la reproduction en général et de la lutte contre la fistule obstétricale en particulier. Indépendamment de la fistule dont elle souffre, la jeune fille a besoin d'une communauté très compréhensive et davantage axée sur la promotion de la santé et du bien-être, Mettons la fille et la jeune femme au centre de nos préoccupations offrant leur l'espoir d'une vie meilleure, plus épanouie et plus digne, créant ainsi de nouvelles perspectives de développement pour ces filles et femmes membres de la société. Ensemble, nous pouvons faire la différence pour ces personnes vulnérables. Je vous demande donc de montrer votre solidarité envers toutes ces filles et femmes atteintes de fistules. Enfin, j'invite l'ensemble des acteurs pour une mobilisation générale et une synergie d'action pour un Niger sans fistule. Notons que cette lésion susceptible de subvenir lors d'un accouchement se traite et est prise en charge gratuitement au niveau de ces centres d'où ce témoignage. muna ɗinkin tela aka ba mu shaka hamsin kuɗin jari ni je gida ni sayi ƙananan dabobi na tashi tafiya ina kama ina sera ina zu Enfin, la délégation a eu droit à une visite du centre et des stands guidés par le directeur de Centre national de référence de la fistule obstétricale, s'en suivi un don offert par la première dame, Madame Bazoum Hadiza, aux femmes fistuleuses et la réception officielle d'un hangar offert par l'ONG Codeco en sanctionné le lancement de cette neuvième édition de la Journée internationale de lutte contre la fistule génitale féminine. Rencontre au cours de cette semaine à la MJC de Sekou de Niamey entre le député maire de la ville de Niamey, Oumar Moumouni Bougari et les différents groupements féminines de la capitale. Quel est le but de cette rencontre Élément de réponse dans ce extrait. L'amélioration des conditions de vie la population passe nécessairement par leur pleine entière éducation. C'est pour cela que nous les avons réunis pour recueillir leur point de vue sur la marche de la ville de Yamé et nous avons été très agréablement surpris de voir quelles sont, les sont de, toute la problématique car nous avons discuté à bâton aujourd'hui sur les questions de leur organisation propre, les questions de liberté, mais aussi des questions de de juvénile et de mendicité qu'elles ont euh, vraiment le tient à cœur. Je ont exprimé le besoin de s'organiser pour qu'ensemble, nous puissions trouver les voies et moyens de sortir euh, notre jeunesse de cette situation de délinquance et de sortir elle-même de cette situation de dépendance économique pour aller vers leur économisation et pour qu'enfin, euh, avec leur concours, nous aurons une encore plus forte. Reste à la une sorte de compétition de salubrité au niveau de la ville de Goma. J'ai pris bonne note et euh, je pense que euh, dès lors qu'on va mettre le comité euh, en place, puisqu'ils ont demandé la mise en place d'un comité, et que nous allons mettre ce comité en place, nous réfléchirons sur les conditions d'organisation de cette compétition de salubrité entre les donc je suis très satisfait de cette, euh, rencontre qui a été fructueuse en communauté. Ils ont pris l'engagement de faire euh, le journée propre contribuant à la salubrité à l'intérieur euh, de, leur, maison, dans la, dans rue, dans le quartier et, au niveau de la commune et de la ville. Ils ont pris l'engagement de, de contribuer à la lutte contre la violence repris euh, l'engagement de à toutes les activités économiques. Du reste, ce sont des, femmes qui occupent une part importante de l'activité commerciale dans la ville Et nous allons créer les conditions pour leur trouver suffisamment de places dédiées dans le marché que avons visités il n'y a pas longtemps. Et je pense que comme cela, nous allons euh, vraiment nous acheminer vers l'autonomisation de la femme, qui est euh, une préoccupation de la vie. La compagnie de transport moderne STM Ténéré a procédé à la gratification de leur meilleur agent. Cette prime spéciale qui va de 300 000 à 1 million de nos francs CFA s'est déroulée en présence du gouverneur de la région de Niamey. Compte rendu Zenokagra Ibrahim Kantama organisé pour la toute première fois par la compagnie de transport moderne STM Ténéré. Cette cérémonie de gratification des meilleurs agents de STM Ténéré a pour but de récompenser ces meilleurs agents pour la qualité de leur travail à travers des certificats de satisfaction qui ont été décernés à ces agents. Parmi les certifiés, les meilleurs ont aussi reçu des primes spéciales en plus de leur certificat de satisfaction. STM, en dehors de sa mission ordinaire, qui est le service régulier de transport voyageurs, participe au développement socio-économique du pays en créant l'emploi direct ou indirect, réduisant ainsi le taux de chômage des jeunes. La direction générale de la STM mais l'accent surtout sur la professionnalisation de son personnel afin qu'il soit plus efficace, performant et rentable. C'est à ce titre que des formations ciblées, régulières, sont données par des experts bien choisis. Parmi tant d'autres, je peux citer la formation donnée aux chauffeurs, aux agents de voyage, aux chefs d'agence et d'escale, aux agents administratifs et ceux du contrôle, aux agents du service nouveau chargé de la clientèle, aux agents de terrain, etc. etc. Dans tout œuvre humaine, il y a toujours un besoin d'amélioration, surtout dans notre domaine où la concurrence est pesante. C'est pourquoi la STM, euh, à la STM, nous ne cessons d'innover et continuons à réfléchir pour faire plus et mieux en tenant compte de vos souhaits et vœux. Cette remise de certificats de satisfaction et de primes spéciales aux meilleurs agents parmi les certifiés est suivie du prix Saadou Garba offert par le PDG de la dite institution à un des chauffeurs gratifiés à travers un tirage au sort. Aujourd'hui, en plus chauffeurs, nous avons constaté il y a aussi d'autres agents qui ont été publiés. Vraiment, nous félicitons vivement la direction de la STM parce que, mon avis, en tout cas, euh, c'est une société qui fournit de grands efforts et c'est la deuxième fois, en tout cas, que je suis convié à une semaine de ce Là n'est pas à savoir que l'accident de la route est un très grand fléau et un problème de santé publique au Niger. Chaque fois, si on n'a pas de bonne route, les gens pensent qu'il n'y a pas de bonne route. Et quand il y a de bonne route, les enfants

présent à cette occasion, le gouverneur de la région de Niamey n'a pas manqué d'apporter son témoignage à la compagnie de transport moderne STM Ténéré en tant que client. Il s'agit là d'une politique incitative qui doit servir de leçon à tous les autres cas en de le faire un

notons que ce prix dénommé Saad Garba est dédié à un des meilleurs chauffeurs de STM Ténéré qui a rendu l'âme de l'exercice de sa fonction. Cette initiative de gratification des meilleurs agents sera désormais perpétuée à l'agence de transport moderne STM Ténéré. À STM, la qualité de travail des agents dans la satisfaction des besoins de sa clientèle et le mérite à une récompense. L'Office euh, central de répression du trafic euh, illicite et des stupéfiants a tenu un point de presse euh, à Niamey pour démentir les allégations relatives à la soustraction d'une partie des 17 tonnes de drogue saisies au mois de mars. Cette information publiée par Global Initiative, un consortium de journalistes à l'international, est relayée par les réseaux sociaux et certains médias nigériens. Plus euh, de précision avec le porte-parole de la police, euh, Mutari Abou, dans cet élément du studio Clown. Suite à la publication sur le net dans l'article intitulé en français Les jours étranges pour le trafic de hachis au Niger par un groupe de presse internationale, Global Initiative, relayé par certains organes de presse nationale, la direction de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants en l'honneur d'apporter le droit de réponse dans la teneur suivante. L'Office tient à préciser que la gestion du dossier de 17 tonnes de résine de cannabis a été faite dans la plus grande transparence qu'il est difficile ou ridicule temps pour moi de croire aux allégations de l'article selon lesquels une partie de la drogue pourrait être soustraite frauduleusement. Les 17 tonnes de résine de cannabis ont été incinérées le 24 avril 2021 conformément à l'article 142 de l'ordonnance 99-42 du 23 septembre 1999 relative à la lutte contre la drogue au Niger, l'Office défie par ailleurs quiconque d'apporter la moindre preuve de ces allégations et se réserve le droit de saisir la justice pour que les auteurs de cet article imposteur, qui, de source bien informés n'ont jamais mis au Niger, subissent la rigueur de la loi. Enfin, l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants rassure l'opinion nationale et internationale que ces accusations totalement infondée n'ont aucune incidence sur sa détermination à poursuivre la lutte contre le trafic de drogue au Niger avec le professionnalisme, l'intégrité et la rigueur habituelle. Le chemin volontaire euh, pour euh, l'environnement a organisé un débat d'échange euh, autour du thème Jeunesse, leadership et développement durable dans le contexte de la COVID-19. Alouma Sami, Abdel Nasser Abdou, précision. Jeunesse, leadership et développement durable dans le contexte de la COVID-19, c'est le thème développé ce vendredi au Café Citoyen organisé par les jeunes volontaires pour l'environnement JVA. Une plateforme qui a aussi regroupé plusieurs jeunes leaders sur toutes les questions liées au développement durable. Pour le responsable des jeunes volontaires pour l'environnement, Sami Ayouba, cette initiative a pour objectif de réunir à chaque vendredi de la fin du mois des jeunes leaders pour échanger essentiellement sur toutes les problématiques, notamment sur le modèle de leadership le Café Citoyen, c'est un événement mensuel que nous venons de lancer. Donc le thème de, ce mois-ci, c'est le leadership, euh, euh, jeunesse leadership pour un développement durable dans un contexte de Covid-19. Donc nous avons réuni en présentiel une quarantaine de jeunes leaders pour échanger avec eux sur la contribution des jeunes par rapport à la promotion du leadership, par rapport à l'implication des jeunes sur les actions de développement, surtout dans un contexte marqué par euh, la crise sanitaire. Mais également pour nous, c'est un cadre qui va permettre de Gorenavá aux jeunes d'échanger, de partager leur expérience et bonnes pratiques, mais surtout aussi de mutualiser leurs leur expérience et créer des synergies d'action autour du développement communautaire. Donc voilà un peu, entre autres, euh, euh, l'objet les enjeux pour nous d'organiser ces débats. Et nous sommes très satisfaits parce que euh, nous avons la présence, en tout cas, de beaucoup de jeunes leaders. Également, nous diffusons en ligne parce qu'aujourd'hui, la crise du Covid exige. Donc, nous avons diffusé sur Zoom, mais également sur Facebook pour permettre à tous les jeunes qui ne sont pas sur place ou qui ne peuvent pas faire les déplacements ou bien pour des contraintes sanitaires parce que nous avons limité le nombre de places, euh, de suivre l'événement mais pouvoir aussi de communiquer avec nous pour partager leur expérience, euh, pour apprendre aussi de l'expérience des autres. Les deux panélistes sont aussi revenus sur l'approche entre la jeunesse et le leadership pour une véritable autonomisation de la société nigérienne. La question du leadership ça c'est important, mais il faut savoir qu'un leader est fait pour servir, pas pour se servir. Et deuxièmement, le leadership, c'est celui-là en réalité qui mène des actions, d'où on dit euh, l'indication l'éducation en réalité par l'action, et qui contribue en réalité au développement socio-économique de sa terre. Donc c'est très important euh, on n'a pas besoin de se flatter pour se dire leader et c'est devenu un phénomène surtout sur les réseaux sociaux c'est les autres à réalité qui devront dire aujourd'hui que vous êtes leader. Quelqu'un avec qui les autres peuvent apprendre, quelqu'un qui a fait quelque chose à réalité pour son pays, pour sa communauté, celui-là, on peut l'appeler en réalité leader. Moi, la jeunesse nigérienne est active. Vraiment par rapport à les années antérieures, moi je pense que ça progresse petit à petit. Donc euh, le message que je veux passer, c'est c'est surtout, tout commence comme on dit par un rêve. On peut rêver, changer et tout. Il ne faut pas se laisser rêver toujours sans pouvoir mener une action. Donc euh, quand on a un rêve, il faut croire, il faut être déterminé. Et c'est incroyable croyant qu'on peut arriver. Café citoyen initié par les jeunes volontaires pour l'environnement est une occasion pour la jeunesse nigérienne de partager et apporter leur, contribution, leur contribution relative à toutes les questions liées aux défis du moment. Et place à présent à la revue hebdomadaire euh, de presse euh, comme chaque euh, semaine. Ralia Sami a parcouru pour nous les journaux Paris au cours de cette semaine. Très bonne réception et bonne début de semaine. Bonsoir présentation de la DPG test réussi pour le Premier ministre Oumoudou Mamadou a rapporté à la rue de le soir. Le Premier ministre chef du gouvernement Oumoudou Mamadou ainsi que l'ensemble des membres du gouvernement étaient devant les députés nationaux le mercredi 26 mai 2021. Le chef du gouvernement s'est sacrifié à une exigence constitutionnelle qui voudrait qu'à son entrée en fonction et après délibération du Conseil des ministres, celui-ci fasse une déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Un exercice fastidieux et périlleux à raison du fait qu'il est éprouvant et comporte un revers. Car lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du gouvernement ou lui refuse sa confiance à l'occasion du vote d'un test, le Premier ministre remet au président de la République la démission du gouvernement. Mais selon le journal, après une présentation avec brio de sa déclaration de politique générale qui se veut ambitieuse et réaliste, le premier ministre Ouloudou Mamadou et son gouvernement ont reçu la caution de l'Assemblée nationale qui a approuvé le document avec une majorité écrasante de 129 voix sur 166. Test réussi donc pour le chef du gouvernement qui, selon le journal, a fait preuve d'une excellente maîtrise de sa DPG et a désormais les coups de franche pour mettre en œuvre les engagements regroupés en sept grands axes orientation de l'action gouvernementale. Toutefois, précise le journal, des observateurs de la scène politique nationale ont déploré la qualité des débats et des questions au sein de l'hémicycle, donnant une image d'une assemblée qui ne maîtrise pas encore le fonctionnement de l'État et de la République. Quant au journal, l'enquêteur le rapporte dans ses colonnes par rapport à cette politique générale du gouvernement que nous fait du Issoufou. Auparavant, en répondant aux préoccupations soulevées par les députés relativement au programme de son gouvernement pour les cinq années à venir, Oumourou Mamadou s'est permis sur le journal d'abord de faire le bilan des dix années de gouvernance Issoufou. Un bilan élogieux qui a valu à l'ancien président d'être distingué à plusieurs reprises à l'international pour son leadership. Selon l'actuel premier ministre, Issoufou a réjoui le rang des dignes fils d'Afrique à Di Ce dernier a présenté son mentor comme un bâtisseur d'État moderne avec à son actif des infrastructures routières, aéroportières et hôtelières, notamment à Niamey. Mais Ouroudou avait-il besoin de faire cette comptabilité Cela ne relève-t-il pas d'un certain manque de modestie s'interroge le journal pour qui le journaliste et analyste politique ivoirien André Sylvain Kona fait remarquer qu'aucun journaliste ne fait la comptabilité de ses articles chaque année. Aucun médecin ne fait la comptabilité des malades qu'il a guéris, ni un juge le nombre de personnes condamné ou acquitté par session judiciaire. Pourquoi s'interroge le journal Parce qu'ils considèrent que c'est leur job. Et le job d'un chef d'État est justement de construire des routes et autres infrastructures. Il n'est donc point besoin de faire ingurgiter au peuple des statistiques sur un job normal. Et si cette propension au béton cachait un goût pour les commissions, n'y avait-il pas eu par exemple de commission dans le cadre du projet de construction de la route Agadez-Arlit qui n'a pourtant pas vu en dépit de trois cérémonies de lancement, se demande toujours le confrère. Parlant des réalisations de la Renaissance, Oumoudou Mamadou a laissé entendre que son régime a fait mieux que tous les régimes précédents réunis et de citer un exemple l'hôpital général de référence de Niamey, un don de la République populaire de Chine. Alors que le régime s'appropriait cette réalisation, cet établissement hospitalier fait face à un problème crucial permanent de manque d'eau courant. nous apprend le journal pour qui les réalisations des partenaires techniques et financiers sont passées sous silence. La Renaissance a peut-être fait plus que les autres régimes dans le domaine de la délinquance financière, assurément, écrit le journal. Le scandale des marchés publics au ministère de la Défense nationale et l'affaire dite Iboukaradje sont les révélateurs du pourrissement des pratiques corruptives de la Renaissance, selon toujours le journal. Puis ce qui concerne la gouvernance et les réseaux de pouvoir, le cours a écrit à sa une. Issoufou Mamadou, du sable dans l'île de moteur de Bazou Mohamed. Bazou Mohamed, assurément, est dans une logique de rupture. Sur la question de l'Azou, il ne s'est pas du tout contenté de recevoir la délégation des ressortissants, mais il a pris bonne note de leur attente et promis fermement que tous ceux qui le voudraient retourneraient dans les plus brefs délais chez eux. Chose promise, chose due. Des camions, bus autres véhicules ont acheminé dans les 112 heures suivantes les déplacés de Lanzourou dans leur village, sous bonne escorte militaire et un dispositif de sécurité mis en place pour rassurer les populations. C'était inconcevable sous Issoufou, nous apprend le journal, qui vivait à des millions d'années-lumière de ses compatriotes. C'est bien plus qu'un coup médiatique pour le journal. C'est un acte de gouvernance majeur qui traduit la volonté de rupture de Bazoum. Cependant, retorque le journal, il ne dispose pas de marge de manœuvre suffisante pour ramener à son rythme. Issoufou Mamadou et de la vie de Poche de Bazoum une sorte de sable dans l'huile de moteur de celui-ci. Soit il le fait extraire, soit son moteur va se gripper plus vite qu'il ne le faut. Puis à propos de l'insécurité à Tilaberi, le nouveau républicain se demande dans ses titres, Lanzourou est réinstallé. Et après, la situation de Lanzourou a montré aux socialistes leur échec dans la gestion de la sécurité. Et Bazoum a compris aussi que sur plan, il a à faire montre d'une grande attention. Les populations sur les réseaux sociaux et avec beaucoup de Nigériens ont exprimé leurs préoccupations par rapport à cette situation qui risque d'échapper complètement au contrôle des gouvernants. On comprend dès lors pourquoi les gens se sont précipités à aller parler avec les populations déplacées pour les convaincre de retourner dans leur village. Mais il va sans doute que si l'on doit rester avec les mêmes stratégies dans la gestion de l'insécurité, l'on ne pourra rien changer à la Comment par exemple se peut-il ainsi que nous dénonce les populations qu'on voit des bandits partir avec le bétail sans que les forces de défense et de sécurité ne puissent agir, se défendant de n'avoir pas une l'ordre d'attaquer des malfaiteurs Peut-on censément comprendre cela se demande le journal. Faut-il donc croire que celui qui est resté dans son salon mouillé, dans le micro-climat de sa climatisation qui commande le terrain, laissant celui qui s'y trouve sans aucun pouvoir de décision Pourtant, l'on sait que dans la guerre, c'est le terrain qui commande, écrit toujours le journal. En d'autres temps, le journal rappelle que les militaires n'avaient que faire de communication avec un autre et agissent de manière autonome dans le respect de l'art militaire, assumant leurs actes plus loin dans ses colonnes, le nouveau républicain s'est intéressé au putsch du Mali. Le choix de la communauté internationale se heurte à celui des Maliens, écrit le journal. Le Mali, depuis plusieurs années, est dans la tourmente, dans l'errance politique, gravement secouée par une insécurité grandissante et une absence tragique de leadership capable de faire face aux immenses défis. Le pays avait basculé dans la violence. Il était presque dans la chialie avec une partition territoriale car sur un large point du territoire, l'État n'exerçait plus son autorité. Alors que le gouvernement malien ne contrôlait plus de parties du pays, désormais sous l'autorité des groupes Touareg, le Mali devenait ingouvernable. Ibrahim Boubacar Keta, alors président élu, lui aussi socialiste, ne sut pas être à la hauteur juste après un premier mandat. Lorsqu'il entama le second mandat bricolé, il finit par exacerber la tension dans le pays par son incapacité à régler les problèmes du pays et à assurer les Maliens inquiets pour leur pays. Le peuple s'est alors soulevé et profitant de l'attention qui prend de l'ampleur dans le pays, l'armée tranche le débat et renverse le pouvoir d'Ibeka, mais sans que cela ne provoque la consternation de la communauté internationale avec au devant la CDAO dans les dirigeants plus inquiets pour eux-mêmes que réellement préoccupés par le sort déjà nous de leur père malien déchu. Ils fourbirent les armes et les menaces, mais sans avoir toujours les mêmes même intransigeance face à des cas similaires. La faute de la communauté internationale était, selon le journal, de vouloir choisir à la place de ceux qui ont mené leur action et leur imposer une direction qui ne peut être en phase avec les putschistes maliens. On savait que le mariage n'allait pas faire le feu et qu'il allait tôt ou tard éclater. En opérant un autre choix que la CDAO qui jouait au maître orchestre pouvait imposer au Mali et aux Maliens, la communauté internationale ne savait pas, selon le journal, qu'elle perpétrait elle aussi un coup d'État dans le coup d'État. C'est qu'elle condamne depuis trois jours que face à l'enlissement, les mêmes militaires reprennent la situation en main, se servant d'une révolution du palais pour ramener sur les rails la locomotive qui voudrait leur échapper. Quand au monde d'aujourd'hui s'est intéressé dans sa parution à l'affaire Ibukraji, n'a-t-il pas été sacrifié pour protéger ceux qui ont dépensé plus de 1300 milliards à la présidence de la République s'interroge en gros dans ce titre le journal. Des informations, certains observateurs parlent d'une initiative de lutte contre le détournement des deniers publics, donc on va jusqu'à féliciter lui la dite initiative qui en réalité selon le journal ressemble euh, plus à un plan de ménage après une gestion patrimoniale de plus de 1000 milliards à la présidence de la République. Faut-il le rappeler qu'en moyenne, le budget annuel de la présidence s'élève à environ 120 milliards de nos francs, ce qui ferait un total de plus de 1000 milliards gérés et dépensés à la présidence de la République sous le régime du président Issoufou. Le journal rappelle aussi que les affectations budgétaires à la présidence de la République échappent le plus souvent à l'Assemblée nationale dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale et même aux institutions chargées de la conformité des dépenses, aux fins de justice significatif. d'infini et inutile services et agents sont créés et rattachés à la présidence. Ainsi sont dissipés, les colossales sommes affectés à cette institution. Ces services et agences sont comparables à un gouvernement parallèle, nous apprend le journal, pour qui, comme dit l'adage, les hommes passent, mais que les institutions restent et ont une mémoire une autre, une enquête sera faite. Le pauvre sera découvert, des coupables identifiés et des sanctions prononcées. Il est cyniquement intelligent et hypocrite de faire sa propre inspection, définir soi-même l'ampleur du dégât, identifier ses propres coupables et prononcer soi-même des sanctions. Si le président lui échappe à un contrôle et n'est pas politiquement responsable, le journal écrit qu'il y a d'autres bien plus qu'un simple comptable qui doivent également répondre de leurs actes et de leur complicité. Et pour pour finir, intéressons-nous à la situation des pays du bassin du lac Tchad. La situation au Tchad le versement des eaux du bassin du Congo au menu. Écrit dans ses titres, le journal La Nation, les chefs d'État et de gouvernement des huit membres de la commission du bassin du lac Tchad CBLT, dont le président de la République Mohamed Bazoum, ont pris part à une réunion de haut niveau afin d'examiner les problèmes qui minent la vie des communautés qui ont ce lac en partage. En plus des chefs d'État qui étaient présent. Cette rencontre a également été marquée par la participation en tant qu'invité des représentants des États-Unis d'Amérique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Union africaine et de certaines organisations internationales. Nous apprenons toujours le journal qui ajoute que deux gros points étaient à l'ordre du jour. La situation politique au Tchad et ses conséquences sur les pays de la sous-région et le projet de transfert des eaux du bassin du Congo dans le lac Tchad afin de le faire revivre dans l'intérêt des communautés travaux du sommet extraordinaire de la CBLT qui ont été ouverts à Abuja ont été convoqués à l'initiative du président nigérian Mohamedou Buhari, président en exercice de la CBLT. Les travaux se sont déroulés par la suite à huis afin de délibérer et prendre des résolutions pour accompagner le Tchad dans cette phase difficile qu'il traverse. Un communiqué final a sanctionné les travaux. Le journal rappelle que la commission du bassin du lac Tchad a été créée le 22 mai 1900 64, sous l'impulsion de Amadou Aïdjo du Cameroun, Ngerta Tombalbaï du Tchad, Amadou Diori du Niger, Tafawa Balewa du Nigeria envie de favoriser la gestion et l'exploitation commune et durable du lac Tchad, ainsi que pour promouvoir la sécurité transfrontalière dans un contexte où le dessin futur des rives du lac engendre des migrations intérieures et transfrontalières, ainsi que du banditisme. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et la semaine prochaine, Inch'Allah. présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.